Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangu, le forum de la presse, que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères des médias de Niamey. Nos programmes sont diffusés via notre réseau de 52 radios partenaires dans tout le Niger ainsi que 7 télévisions partenaires. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, tenu le jeudi 3 février 2022 à Accra, au Ghana, sur la situation politique au Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Ces trois pays sont suspendus après des coups d'État militaires. Nous parlerons aussi de la visite d'amitié et de travail de trois jours du président de la Confédération suisse au Niger, Ignacio Kassissa. L'actualité, c'est aussi la commémoration du 32e anniversaire des événements du 9 février 1990 qui ont fait trois morts par l'Union d'un cadet scolaire nigérien. Enfin, vous suivrez l'analyse de nos confrères sur la nouvelle réforme de facturation. Il s'agit de la facture certifiée. Pour commenter et analyser euh, tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir euh, dans ce studio Issa Madougou, journaliste indépendant. Bonsoir Issa. Euh, bonsoir Fatih. Maimouna Diado, journaliste indépendante également. Bonsoir Maimouna. Fatih, bonsoir. Et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir Fatih. À la modération, je suis Fatih Zakari. Réunis en session extraordinaire le 3 février 2022 à Accra, au Ghana, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, ont dans le communiqué final confirmé la suspension, la suspension du Burkina Faso de l'institution, appelé l'agent militaire à mettre en place les organes de transition et adopter un calendrier électoral. La conférence a également condamné la tentative de coup d'État survenue en Guinée-Bissau. Et concernant la Guinée-Conakry, la conférence prend note de la création donc du Conseil national de transition comme organe de transition. Alors, euh, je commence par Maimouna Diado. Et quelle lecture faites-vous euh, des conclusions du sommet extraordinaire donc euh, tenu par les dirigeants membres de la CDAO la lecture, euh, Fatih, c'est que c'est une institution. Donc, euh, c'est une institution qui a également ses règlements euh, intérieurs. Donc, moi, je me dis que de la même manière que la CDAO a pris des mesures mhm. à l'encontre donc de la Guinée et du Mali, il fallait s'attendre aussi pour le Burkina Faso. Mais ce que je peux, je peux relever ici, c'est que les mêmes sanctions qui ont été appliquées, par exemple, sévèrement au Mali, mhm. n'ont quand même pas pu être, euh, en tout cas, adoptées au niveau donc, du Burkina Faso. Mhm. Parce que le Mali, c'est quand même la frontière, les frontières qui ont été euh, fermées complètement, euh, mettant à plat donc, le Mali économiquement, alors que le Burkina Faso, ils ont tout juste suspendu, suspendu, le Burkina Faso et interpellé à mettre en place donc euh, euh, les organes de transition rapidement. Et je suis euh, également sûr que les négociations, ils vont envoyer leur émissaire au niveau donc, du Burkina Faso pour trouver en tout cas un compromis autour donc de la mise en place de cette transition. Donc pour ça, il faut quand même saluer la CDAO pour ça parce que la CDAO n'est pas quand même partie aussi sévèrement que pour le Mali. Mhm. Peut-être que la CDAO a pu écouter les peuples et autres, parce que c'est l'embrassement, en tout cas, de ce qui s'est passé au Burkina Faso, a un lien également avec ce qui s'est passé au, Mali, donc, et en Guinée, surtout au Mali, mhm. parce que fermer les frontières, déjà, entre le Burkina et le Mali, c'était un problème. Donc, ça a suscité beaucoup de réactions de par le monde, de par l'Afrique, de mhm. par également l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'insécurité dans les trois pays. Donc, mhm. on ferme encore les frontières, c'est encore ça, ça deviendra encore impliquer la situation. Donc, je me dis que franchement, c'est bien réfléchi, mais maintenant, il faut également que la gente au pouvoir se décide à mettre en place très rapidement euh, les organes de, transition et vraiment réfléchir à un plan de transition très rapide qui peut ramener l'ordre démocratique dans ce pays. Voilà ce que j'ai à dire, euh, Fatih Issa Madougou, quelle lecture faites-vous des conclusions du sommet extraordinaire euh, de la CDAO merci Fatih. Et par rapport aux sanctions contre euh, la gente euh, au niveau du Burkina, c'est c'est normal puisque pour tout démocrate, on ne peut condamner euh, la prise au pouvoir par les armes. Mm. C'est des condamnations de principe qui ont été tout le temps répétées quand il y a coup d'État. Vous vous le rappelez même au Niger, en 2010, le mm-hmm. Niger a fait l'objet de suspension jusqu'à au retour du pays dans l'ordre constitutionnel mm-hmm. normal avec la tenue des élections et, les, des élections et l'avènement d'un pouvoir civil. Par contre, pour les, autres, moi je pense que ces sommets, à l'image des autres sommets, c'était la même routine, demander à ce que euh, les trois gentes puissent vraiment établir un calendrier dans un court délai pour que le pays puisse revenir à l'ordre constitutionnel normal. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'aujourd'hui il faudrait lire encore au-delà de des décisions prises. C'est que la CDAO, depuis un certain temps, que cette institution a quitté sa logique de la CDAO des, des, peuples mhm. pour se muter vers une CDAO, des de, défense, oui, de, défense des, intérêts avec une hypocrisie se mhm. tournant derrière, mhm. euh, se cachant derrière des élections libres et transparentes qui se sont déroulées. Parce que c'est ça aujourd'hui. Quand on a des plus en plus de coups d'État, une recrudescence des coups d'État, ce qui veut dire que nous devrons nous remettre en cause pour, que, pour dire que nous n'avons pas organisé des élections libres et transparentes. Parce que quand il y a de ces cafouillages, au moment des scrutins, il n'y avait pas de transparence. C'est ce qui amène que les gens n'ont pas ce souci de vouloir vraiment aller dans leur gouvernance à répondre plus aux aspirations populaires. Quelqu'un qui sait que il est là, c'est le peuple qui l'a mené. Mais c'est normal, ça c'est des mécanismes naturels mm-hmm qui sont là comme sous-bassement de la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aussi condamner euh, En fait, il n'y avait pas aussi d'outils. Aujourd'hui, force est de constater malheureusement au sein même de l'opinion publique de la communauté et eh, de la CDAO, c'est qu'il y avait plus, il, y a aujourd'hui plus de populisme, de polémique que d'outils d'informations et de faits fiables pour analyser la situation. Mm. Les gens partent plus sur des faits à vouloir vraiment aller. C'est comme si aujourd'hui certains ont ce malin plaisir de manipuler la foule. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel, il n'y a pas cette situation, surtout notamment les pays francophones qui du Sahel. Nous sommes confrontés aujourd'hui à plusieurs défis sécuritaires, changement climatique, alimentaire avec la mauvaise campagne agricole. Et il faut aussi ajouter à cela que dans les zones agricoles aujourd'hui, dans l'espace gourmand, au Niger, au Mali, au Burkina, beaucoup de zones n'ont pas pu cultiver. Donc vous voyez, c'est un défi humanitaire qui s'impose à, à, nos pays. Donc moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est qu'il faudrait plus de retenue, que cette CDAO revient à cette CDAO non conformément à ses principes fondateurs. Mais la CDAO ne peut pas être aujourd'hui dans cette dynamique uniquement de défendre des régimes démocratiques. Voilà. Hassan les chefs d'état-major de l'organisation sous-régionale ont tenu une rencontre avec mhm. l'agent militaire burkinabé qu'ils euh, ont trouvé ouverte aux suggestions et aux propositions qui ont été euh, faites par la CDAO. Pensez-vous euh, que cela a permis au Burkina Faso d'éviter des sanctions lourdes comme celles infligées au Mali Merci. Alors, je pense que euh, les chefs d'État ont plutôt joué la prudence mhm. après les réactions qu'on a pu observer au lendemain des mesures prises contre le Mali. Il y a eu quand même un rejet quasi unanime <clears throat> des communautés ouest-africaines de cette décision. Euh, ce que les gens mettaient en avant, c'est de dire vous condamnez un peuple qui souffre déjà de martyrs pendant des années, vous empêchez aux Maliens d'autres choses, donc vous les condamnez davantage. Maintenant, la question c'est la CDAO met sur la table les principes de la bonne gouvernance euh, qu'elle considère violés et le peuple malien met en avant d'autres intérêts et les communautés ouest-africaines qui condamnent les décisions de la CDAO mhm. mettent en avant le mieux-être du peuple malien en considérant que ben, c'est eux qui choisissent euh, pas, la CDAO. Mhm. Donc je pense que ce type de réaction fait que la CDAO joue la prudence. Il y a eu des manifestations, hein, même au Sénégal, mhm. pour dire qu'on était contre euh, ces décisions de la CDAO. Donc il y a ça qui fait que tout de suite on ne peut pas prendre, réitérer. Euh, on sait aussi que <clears throat> les menaces euh, contre la malien malienne n'ont pas empêché le coup d'État en Guinée. Les menaces contre la Guinée n'ont pas empêché le coup d'État au Burkina, ni euh, la tentative en Guinée-Bissau. Donc, il faut interroger l'efficacité de ces mesures. Le, les seuls résultats que ça va avoir, ça va empêcher peut-être aux gens du Mali de voyager normalement, d'avoir accès à certains vivres il y aura peut-être un renchérissement des prix sur le marché étant donné qu'il y a un blocus, etc. Mais au fond, l'efficacité contre le coup d'État, pour l'instant, ça reste à prouver. Et donc, du coup, euh, on ne peut pas tout de suite prendre des mesures, similaires contre la gemme du Burkina. Maintenant, oui, il y a eu cette rencontre avec les, chefs d'état-major, mais aussi je pense qu'au Mali aussi, ça a été une étape. Hein. Je pense qu'on n'a pas pris tout de suite euh, toutes ces mesures il y a un moment d'observation. Ce que la CDAO demande, c'est euh, un calendrier électoral. Bon, c'est un peu ça, je pense, que tu fais débat. Parce que pour la CDAO, une transition est faite pour organiser des élections. Mais, mais, le Burkina, rendez-vous compte que le Burkina n'avait pas de problème par rapport aux élections. Le président élu qui est tombé, son élection n'a pas été contestée. Il a été élu, l'opposition a reconnu qu'elle a perdu, mhm. il n'a pas été contestée, comme au Burkina par exemple, euh, comme, en Guinée ou au Mali. Mais ce que les gens lui reprochent, c'est que pendant qu'il est là au pouvoir, il n'a pas les résultats que les citoyens avaient attendent. Le coup d'État est interdit dans ce contexte-là. Donc, le fait de dire, OK, euh, les militaires ne sont pas faits pour diriger, tout le monde est d'accord avec mhm. ça, il s'est rappelé le principe. Maintenant, pourquoi on n'interroge pas qu'un président qui soit élu par ses compatriotes, sans être contesté, il tombe quelques mois plus tard. Donc, ce n'est pas une affaire d'élection. Je, trouve un peu ridicule de tout réduire à une élection. C'est vrai, on peut dire, OK, les militaires ne sont pas faits pour gouverner. Mais on voit ceux qui sont faits pour gouverner, on voit la difficulté qu'ils ont. Et c'est peut-être là, euh, je pense que les dirigeants de la ou le perçoivent, un point qu'ils ont inscrit dans leur déclaration mhm. finale n'a pas échappé aux observateurs, c'est de dire il faut réviser le protocole de bonne gouvernance de la CDA. pour dire en sanctionnant, on ne gagne pas tout. Et donc, mhm. il faut peut-être agir de façon à ce que euh, les types de gouvernance qu'on promet dans l'espace CDAO ne puissent pas donner de prétexte aux putschistes. Et ça, il faut absolument le faire parce que, à force de réduire la démocratie aux élections, vous avez, vous aurez les élections et vous aurez les coups d'État. Donc finalement, il faut changer et je pense que la question de fond, là comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est une question de gouvernance. Il faut franchement poser la question de la gouvernance. Sur un tout autre euh, plan, le président de la Confédération suisse, euh, Ignacio Cassis, a effectué une visite de trois jours au Niger. Une première euh, depuis l'existence de la, de la coopération entre les deux pays qui remonte à 1978. Niasu Kassis a mis donc à profit son séjour pour débattre de plusieurs questions internationales, régionales, d'éducation et du changement climatique. Alors, Maimouna Gado, Avez-vous d'autres informations sur les motifs de la visite du président de la Confédération suisse au Niger euh, je ne peux pas donner autant de motifs comme ce que vous venez de dire à l'instant, parce que c'est une première fois qu'il vient au Niger mhm. et certainement c'est également pour euh, renforcer en tout cas euh, la coopération entre la Suisse et le Niger, qui a beau exister depuis plusieurs années. Mhm. Et, comme je l'ai écouté également, le président de la République euh, qui, était, qui est vraiment satisfait de cette coopération avec le Niger, la Suisse et le Niger. Et bon, il vient, c'est pour parler de questions de sécurité, pour parler également de, de, de questions d'éducation, pour parler de questions peut-être alimentaires, le changement climatique et tout. Uh-huh. Oui, donc je pense que c'est ça qui l'a amené au Niger et il a eu à visiter euh, deux régions à part euh, Niamey. Euh, d'Agadez Agadez et Maradi. Et Maradi. Donc certainement, aller à Agadez, aller à Maradi, il a encore d'autres visions pour ces deux régions. Mhm. Peut-être aller voir comment euh, se passe euh, la vie là-bas, l'éducation, la santé et tout. Mais je me dis que, bon, pour la première fois, ils viennent au Niger, et ils viennent constater peut-être ce que les avancées et ce qu'il faut également amener comme appui à ce pays, au Niger, qui, est, qui fait face à, en tout cas, plusieurs multiples, plusieurs mhm. défis, euh, l'insécurité, l'éducation, la santé, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment euh, essayer de voir euh, quelle coopération, quelle coopération, où il faut améliorer. Mhm. pour que on sente que la Suisse est, est, vraiment implantée ici au Niger et que la Suisse est aujourd'hui prête à aider le Niger. Mhm. Issa Madougou, Comment donc vous accueillez donc euh, ce déplacement du président de la Confédération suisse au Niger euh, je pense que c'est la manifestation de euh, la vitalité de la coopération entre le Niger mm. et la Fédération suisse, surtout les trois secteurs dans lesquels la Suisse veut aider le Niger, mm. parce que c'est les trois secteurs-là dont aujourd'hui qui sont en train d'impacter véritablement notre développement. Mhm. La sécurité, déjà, la se présente euh, à travers des projets dans la gouvernance sécuritaire. Mhm. Les changements climatiques, on en a tellement besoin aujourd'hui parce qu'il faut que on appuie aujourd'hui les services étatiques à, accompagner les producteurs nigériens euh, dans cette dynamique mhm. d'intégration de, ces, de, tous ces, euh, euh, comment on appelle, euh, problèmes climatiques que nous avons pour que au moins les gens puissent être résilients mhm. face à ces problématiques et à vouloir continuer à pratiquer leur agriculture. Ce n'est pas, le changement climatique, ce n'est pas uniquement dans le domaine de l'agriculture que ça impacte. Ça hein. concerne plusieurs, secteurs. Hein. Quand vous prenez le développement humain, l'élevage, pour ne citer que cela, l'éducation, voilà, moi, ce secteur que vraiment, mhm. je pense, puisque c'est une priorité du président Mohamed Bazoum. C'est dans ce secteur que nous avons besoin aujourd'hui plus d'appui pour accompagner les différentes réformes. Mhm. Parce que sans éducation, un pays ne peut pas espérer. D'ailleurs, même c'est ça aujourd'hui la problématique phare de nos pays, surtout notamment les pays francophones. On n'a pas mis en place un système efficace éducatif qui puisse former des citoyens modèles. Parce que tant que l'éducation ne marche pas, on ne peut pas. Donc c'est ce secteur-là qu'il devrait intervenir. Et que, comme c'est déjà dans le cahier de charge, l'État nigérien doit profiter de cette opportunité pour pouvoir mettre en œuvre euh, ce, ce, programme phare du président mm-hmm. afin que l'éducation nigérienne puisse vraiment se hisser mm-hmm. au premier plan, qu'on puisse dire qu'au Niger, il y a une éducation de qualité. Hassan Boukar, comment est-ce que vous accueillez ce déplacement du président de la Confédération suisse euh, au Niger euh, c'est toujours, important pour un pays de recevoir des, partenaires de développement, surtout que la Suisse est engagée pour la durée au Niger. 40 hein. ans, c'est quand même euh, sur, la, sur la durée. Maintenant, comme Issa l'a dit, il, intervient dans des domaines très importants comme l'éducation, euh, comme le secteur agricole. Sur le plan de l'agriculture, par exemple, au-delà de ces deux régions qui ont été visitées, notamment la région de Maradi et d'Agadez, mhm. là, dans la région de Dosso, les six se sont engagés aussi hein, autour de, de Gaïa à accompagner des producteurs agricoles pendant des années. Ils ont fait un travail extrêmement important d'accompagnement des paysans dans cette zone-là. Alors, la question que je me pose, c'est quel est le niveau de résilience aujourd'hui Quels sont les résultats qu'on a Lorsqu'un partenaire vous accompagne sur la durée, un des résultats, c'est aussi votre capacité à vous organiser pour plus de résilience. Bon, quel est le niveau de résilience interroge beaucoup cet aspect-là. Maintenant, l'autre question aussi, je crois qu'il a abordé, c'est la question de la migration. Il est allé visiter le centre de l'OIM et tout ça. Mm. Bon en Europe, c'est le sujet incontournable, le sujet de la migration, surtout lorsqu'ils viennent dans un pays qui est considéré par les Européens comme un, des principaux couloirs de, passage. un transit euh, des migrants. Évidemment, ils sont intéressés par ces questions. J'espère que sur ce sujet aussi, la perception va évoluer parce qu'il y a toujours une perception qui est parfois liée à l'émotion, qui est dictée par les électeurs européens, qui font que les questions concrètes, l'apport des migrants l'économie des pays d'accueil ne sont pas bien prises en considération. Il y a toujours une sorte de peur qu'on a développée. On a travaillé l'opinion, l'opinion a pris peur et maintenant c'est les dirigeants qui ont peur de l'opinion parce que l'opinion juge en fonction de qu'est-ce que vous faites au sujet de la migration. Je pense que c'est des sujets sur lesquels aussi on peut espérer que les point de vue puisse évoluer. Même Gallo vous mhm. pouvez ajouter quelque chose euh, Vos attentes vis-à-vis euh, de la Confédération du Président Les attentes, euh, Issa, et Abba l'ont déjà, l'ont déjà dit, c'est vraiment mettre l'accent sur euh, euh, cette coopération pour que cette coopération puisse également aller de l'avant et aider surtout le secteur éducatif. Hein. Moi, c'est vraiment, je plaide pour ça. Mm-hmm. C'est le secteur éducatif d'abord. Le développement d'un pays ne peut se faire sans l'éducation. Et, également, aujourd'hui, ce qui est également d'actualité, c'est les changements climatiques. Mm-hmm. Donc, tout ceci, je pense que vraiment, ça sera intéressant. En tout cas, s'ils arrivent à conjuguer, les deux pays arrivent à conjuguer leur effort autour de ces, questions-là. Mm-hmm. Nous passons à présent au deuxième sujet du forum de ce vendredi 11 février 2022. Étudiants et collégiens sous la houlette de l'Union des scolaires nigériens USN ont commémoré le mercredi 9 février 2022 le 32e anniversaire des événements tragiques ayant occasionné la mort de trois de leurs le 9 février 1990 a tombé sous les balles des forces de l'ordre et de sécurité. La commémoration du 9 février est une occasion pour les scolaires d'organiser des activités culturelles et sportives. Alors, euh, Hassan Boukara, sur quoi donc euh, doivent-ils mettre l'accent quand on sait que beaucoup euh, de leurs revendications restent toujours en souffrance Merci beaucoup. Je pense que. Au lieu euh, d'organiser des activités culturelles, oui, sportives. Oui, euh, je pense qu'une des principales revendications, c'est d'abord la justice euh, pour les, le martyr du 9 février. 30 ans, 32 ans après cette tuerie, il n'y a toujours pas eu de justice. Mm. J'ai écouté un peu le discours du secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de qui rappelle que oui, ils se sont battus pendant ces années, il n'y a pas eu justice, mais ils ne perdent pas l'espoir de voir un jour justice euh, rendu euh, à ces martyrs-là. Ils prenaient pour exemple le cas du Burkina Faso, en rappelant que Sankara a été tué des décennies euh, pendant des décennies, l'État burkinabé n'a pas voulu engager la procédure, mais aujourd'hui, il y a donc euh, une procédure qui est engagée pour rendre justice à la famille de Shankara, donc pour les martyrs du 9 février. Pour eux, euh, ce n'est pas encore arrivé, mais ils gardent l'espoir que ça va arriver. C'est la principale revendication des étudiants pendant, pendant des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, les autres sujets qui doivent les préoccuper, c'est par exemple la question de l'emploi et de la formation. Je pense que la, voilà, d'abord la qualité de la formation. Euh, la plupart d'entre eux sont sur les bancs de l'école il faut bien qu'il y ait aujourd'hui une bonne formation de façon à ce que les diplômés qui quittent l'université ou les, écoles mmh. soient capables euh, d'assurer le rôle qui est attendu par, euh, par la communauté nationale de, leur part. Il leur faut donc agir, demander plus d'investissement. Euh, faire en sorte que la formation soit de bonne qualité. le deuxième niveau, je crois que c'est la question de l'emploi aujourd'hui. Nous sommes un pays très jeune, euh, qui, n'a pas prouvé pour l'instant qu'il a la capacité à absorber ceux qui quittent les écoles, à donner de l'emploi, euh, ni euh, aux autres d'ailleurs qui n'ont pas été à l'école. Ça devient extrêmement difficile. Mais là, pour le cas des scolaires, à mon avis, ils doivent aussi travailler un peu amener l'État à créer un contexte favorable à l'emploi, qu'il y ait mhm. plus d'emplois pour ceux qui quittent les bancs de l'école, parce que si euh, après avoir obtenu le diplôme, vous restez 4-5 ans, il n'y a pas de travail, parfois on est découragé. Et euh, c'est perçu aussi comme une menace mhm, hein, dans les pays, puisque les gens, s'ils n'arrivent pas à travailler, ils sont fragiles. Le voilà, le chômage, ils sont fragiles et euh, certains d'entre eux pourraient d'ailleurs faire l'objet d'être les proies de ces groupes qui rôdent un peu partout dans l'espace aérien. Donc, à mon avis, justice pour les partis du 9 février, mais aussi faire en sorte que pour ces militants de l'USN, qu'il y ait une bonne formation et qu'ils soient vraiment capables de prendre les rênes du pays à, l'avenir. Mhm. Donc euh, voilà, pour moi, ce sont les questions essentielles. Maintenant, comme vous l'avez dit, autour des activités, il y a toujours la question des activités syndicales. Euh, comment renforcer L'USN était quand même une des forces les plus importantes dans les années 90. Euh, euh, les militants de l'USN se sont sacrifiés pour que ce pays puisse engager la démocratie quel est leur niveau de satisfaction mm-hmm. Est-ce que les luttes de l'USN peuvent continuer telles qu'elles ont été faites de par le passé Quelles peuvent être les nouvelles orientations Je vois euh, les efforts des structures dirigeantes de l'USN à faire appel à des anciens cadres de la mm-hmm. structure, à poser le débat sur... Euh, voilà, euh, je pense que toutes ces choses-là sont des questions extrêmement importantes. Et euh, dans un contexte euh, tel qu'il est le nôtre aujourd'hui, quel est le rôle de nos Est-ce qu'il faut se renfermer dans le corporatisme qui dit, bon, conditions de vie, euh, conditions matérielles pour les militants Est-ce qu'ils ont encore un rôle à jouer autour de la question de la bonne gouvernance Voilà, à mon avis, il y a beaucoup de questions sur lesquelles l'USN peut continuer à réfléchir. La commémoration du 9 février par les scolaires, euh, sur quoi donc euh, doivent-ils mettre l'accent ben, Continuez toujours à demander justice. Parce qu'aujourd'hui, si nous tous nous nous retrouvons ici dans ce cadre pour pouvoir s'exprimer, c'est grâce à ce sacrifice de ces étudiants. Moi, ce que je ne comprends pas, quand on prend la classe politique dans son ensemble, elle a salué depuis euh, qu'il y la démocratie. Et de cette démocratie dont elle est en train de jurer, c'est le fruit de sacrifices. Pourquoi aujourd'hui on ne sent pas, depuis euh, la conférence nationale, mm-hmm. on n'a pas senti un seul régime qui a manifesté le vouloir de faire justice à ces trois mm-hmm. étudiants qui se sont sacrifiés. Aujourd'hui, tout ce test liberté dont nous jouissons mm-hmm. aujourd'hui, c'est grâce à ces sacrifices. Et moi, c'est cette incompréhension qui me plonge parfois à dire que mais pourquoi aujourd'hui les Nigériens, nous aimons nous retrouver dans le déni à vouloir faire une sorte d'hypocrisie en saluant les choses, en démontrant que non, c'est avec amertume que cela s'est passé. Mais une fois sur place, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de faire changer les choses. Comptez le nombre de régimes qui se sont succédés depuis la conférence nationale. Jusque-là, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai jamais vu aujourd'hui parmi tous ces politiciens qui aujourd'hui a manifesté l'intérêt de même mettre en place une, une commission qui, qui pourrait faire une étude, comment voir la faisabilité. Mhm. De, de, de, faire euh, un procès comme justice, de faire un procès, aboutir sur un procès. Non. Mais si les gens passent par, non, nous saluons 9 février, car aujourd'hui c'est la voie de la démocratie. Parmi ces hommes politiques, il y en a même qui ont participé à la marche. Non, mais mhm. de toutes les façons, c'est ce que moi j'ai dit qu'il faut que nous arrêtons. Soit nous voulons monnayer cela, soit nous ne sommes pas honnêtes avec mm. nous-mêmes. Parce que si on veut que eh, les mm. gens continuent, mais de toutes les façons, moi j'aurais été une chose, on a vu dans l'histoire de plusieurs pays, des procédés dont on ne s'attendait même pas. On a le cas de Burkina Faso. Mhm. Même si c'est pas, on n'a pas encore vu le dénouement. Mhm. Mais il faut se dire que tôt ou tard, un jour, il y aura mhm. justice. Maintenant, pour finir, j'ajoute qu'aujourd'hui, eh, moi je salue le dynamisme ces derniers temps face à l'actualité du Sahel dont, preuve, dont fait preuve eh, l'USN à travers mm-hmm. l'organisation des débats avec des anciens mm-hmm. cadres. C'est comme si aujourd'hui, on est en train de, ils sont en train de participer non seulement à la formation syndicale mm-hmm. et à la formation citoyenne. Mais oui, ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que mes deux confrères ont dit, euh, c'est en fait de, de voir en 32 ans, il y a combien de régimes et où sont passés les vrais acteurs qui étaient au devant donc, de la marche. Euh, du 9 février 90. Mm. ils, ont eu la possibilité d'être devant euh, des ministères qui pouvaient régler, non pas régler, mais quand même ouvrir un dossier par rapport à cette situation. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons vu ceux qui ont euh, été porte-parole du gouvernement. Ils n'ont rien fait. Donc je me dis que, en fait, il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie parce que, les acteurs, ces acteurs qui devraient faire la lutte, pour amener ce pays à comprendre qu'un euh, 9 février 90, il y a eu la tuerie de ces trois euh, jeunes étudiants euh, à, l'époque. Donc, je me dis que ici, on ne fait la lutte que pour soi-même. On ne fait pas la lutte pour ceux qui ont perdu leur vie. Aujourd'hui, je me rends compte que en fait l'USN l'USN est en train de se battre et l'USN ne perd pas espoir face à tout ceci. Mm-hmm. Peut-être, peut-être l'USN qui reviendra, notre USN, aura la capacité de faire fléchir ce gouvernement. Euh, quand on regarde, parce que moi je me dis, quand on fait la comparaison de l'USN d'avant et l'USN d'aujourd'hui, on ne sent pas en fait, je ne sens pas très bien l'USN d'aujourd'hui, comparément à l'USN d'avant. Parce que l'USN d'avant, c'était vraiment la lutte. C'était vraiment euh, le terrain. C'était vraiment une lutte mhm. engagée. Donc, ici, il y a une différence. Au lieu que ça soit une lutte sur le terrain, euh, l'USN passe plutôt à des conférences, à des débats, à des sensibilisations, ce qui est, juste, ce qui est bon, un pays euh, ou bien démocratique. Donc, je me dis qu'il est en train de sensibiliser aussi ces euh, militants, mhm. pour que ces militants comprennent la réalité du pays. Mhm. Euh, L'USN d'avant, quand il y avait les marches, il y avait les trucs, il y avait pas, on n'était pas en tout cas entouré de beaucoup de questions, comme le changement climatique aujourd'hui, comme l'insécurité et tout. Mais il fallait quand même se battre pour instaurer la démocratie. Ils l'ont mhm. fait. Mais pourquoi bon sang 32 ans 32 ans, ces victimes-là, 32 ans, ces parents de ces victimes-là, atteindre toujours justice et rien n'est fait. Alors que les acteurs ont eu la possibilité. Ils étaient proches du pouvoir, proches de ces États-là. Pendant dix ans, ils pouvaient quand même, même si vous ne pouvez pas faire grand-chose. Plus de dix ans. bon, plus de dix ans. mais, Voilà. Mais si vous ne pouvez pas faire, si, si vous ne pouvez pas quand même, il faut jouer l'hypocrisie. Il faut jouer l'hypocrisie d'ouvrir quand même, même si c'est un dossier et là, on se dira que vous avez quand même fait quelque chose. Un pas de gagné dans, dans cette affaire. Mais bon, continuons à les ah, soutenir dans la lutte. Hein. Juste un mot. Alors, euh, il y a ces trois euh, militants des deux ASEAN qui sont décédés, qui ont été tués le 9 février, mais il y a beaucoup d'autres victimes qui ont gardé des plaies à vie. J'ai perdu de vue mhm. certains. Euh, je pense à Sedina Ouseni, je pense... Euh, à, tous ces gens-là euh, que, je n'ai pas vus. Euh, Adam Maïna, par exemple. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Certains, oui. Adam Maïna, ça fait pas très longtemps, j'ai pu, j'ai pu le voir, mais garde des plaies à vie. Mm. donc, quand on parle de justice, je mm. pense aussi à ces personnes-là qui ont été handicapées à vie alors qu'ils demandaient un peu plus de pain, mhm. des meilleures conditions d'études. Donc, euh, je pense que euh, Dieu sienne doit continuer à se battre pour que justice soit rendue, pas seulement aux victimes du 9 février, mais à d'autres aussi qui sont tombés par la mhm. suite, pour qu'il y ait vraiment justice et que dans ce pays, qu'on mette fin à l'impunité. Il y a trop d'impunité, beaucoup de mhm. dossiers qui n'ont jamais eu de réponse en justice. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à la Grogne des syndicats des commerçants suite à la nouvelle réforme de certification des factures. Après la déclaration de l'ordre des pharmaciens, c'était le tour du syndicat des commerçants importateurs exportateurs d'exprimer son mécontentement face à cela. alors quels sont les enjeux autour donc euh, de la facture certifiée quand euh, cette facture a été instaurée, nous mm. avons vu euh, le ministère des Finances à travers la direction générale de la DGI organiser des rencontres d'échange. Mm. Euh, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les gens payent les taxes. Il faut payer les taxes. Mais comme nous sommes dans un, comme nous nous retrouvons au Niger, où les gens ont en tête que s'ils payent les impôts, ça ne sert pas le, pays. Donc c'est ça le problème. Il faut créer des mécanismes de bonne gouvernance pour mhm. que les gens puissent avoir confiance. C'est cette rupture de confiance qui fait en sorte que vous là. Mais il y a un fait que moi personnellement j'ai constaté. Mhm. C'est pour cela l'État doit veiller. Depuis qu'on a institué oui, c'est vrai, il y a une inflation au niveau international. Mais depuis qu'on a institué cette facture certifiée. on assiste à une hausse vertigineuse des, prix du produit et de certains services. Même c'est pas tout, c'est mhm. des produits et des services aujourd'hui qui ont augmenté. Et quand vous demandez, vous posez la question, le, monsieur va vous dire, ou bien la dame non, c'est au niveau du grossiste que vraiment mhm. ça a augmenté. Si c'est euh, un service que vous demandez, ils vont vous dire Ah, monsieur, excusez-nous parce qu'il y a cette facture certifiée qui fait en sorte. Alors que normalement, on vous dit juste de prélever la TVA. Mm-hmm. Ça ne devrait pas avoir une influence sur le prix des services ou des, des produits. C'est là qu'il y a cette inquiétude certes, c'est vrai, aujourd'hui, eh, il y a cette inflation qui est en train d'être constatée, mais je ne pense pas que ça puisse impacter à quelques mois seulement. Si j'ai bonne mémoire, ça, n'a pas ça ne fait pas six mois qu'on l'avait mm-hmm. institué. Donc, à moins de d'un semestre, on arrive vraiment à une hausse de pour quel coût de la vie Pour quelle valeur ajoutée aujourd'hui Parce qu'il faudrait voir que est-ce que le pouvoir d'achat du Nigérien a augmenté Non, pas du tout. Et aujourd'hui, on est là, on assiste, et les gens se, se, muent par rapport à certaines euh, euh, contingences internationales. Nous, nous avons un marché mm. je parle sur le mm. contrôle de Abba, nous n'avons pas un, marché euh, national très connecté à, à, la bourse, au marché international. C'est du local, en fait. Mhm. C'est des importations et des exportations. Donc, on ne peut pas nous dire que tout le monde connaît comment ça se passe au Niger. Les gens font des commandes mhm. pour le long terme. Donc, on dit directement que ça influe aujourd'hui sur le coût de la vie. Moi, je pense que la faute revient à l'État parce qu'il faut que l'État crée cette confiance. Mhm. D'abord pour montrer la pertinence de payer les taxes et de prélever la TVA pour contrôler cela. Deuxièmement, mm. il faut que l'État puisse trouver des mesures d'atténuation pour que cela ne puisse pas impacter le niveau de la vie, parce que sachant bien que le pouvoir d'achat du Nigérien n'a pas augmenté. Autre chose pour finir, mm-hmm. il faut que tous ces acteurs euh, du monde du commerce, des services, mm-hmm. puissent comprendre aujourd'hui que au Niger, on n'a pas besoin voilà, de spéculer sur des choses avant que même ça ne puisse les impacter. Il faut que nous convergions dans cette île. Aujourd'hui, on voit, même dans les pays développés, quand l'électricité a l'État, on propose des solutions pour atténuer, mhm. pour pouvoir faire des... Non, mais au Niger, on essaie d'enfoncer plus le citoyen pour que ce, monsieur ou bien cette dame se retrouve dans une situation confortable. quelles euh, conséquences euh, cette nouvelle euh, réforme peut avoir sur la population Alors, normalement, ça ne doit pas avoir de conséquences, mhm. normalement. Alors pourquoi je le dis. L'enjeu de cette réforme, si j'ai bien compris, c'est euh, sécuriser certains types de recettes, en particulier la TVA. Quand on parle de la TVA, on parle de l'une des principales sources de revenus de mm-hmm. l'État. La TVA fait environ 40% des recettes fiscales dans notre pays. Et c'est une des taxes qui est facile à mobiliser. Parce que, bon, contrairement à d'autres euh, taxes, parfois on paye sans le savoir. Puisque lorsque vous demandez un produit, le vendeur incorpore la TVA dans le prix et donc il vous dit un prix. Alors, la DGI, et donc c'est de bonne guerre, cherche à sécuriser. Et les, les, les j'ai entendu, comme Issa l'a rappelé, les pharmaciens, récemment les commerçants, la radio alternative a diffusé récemment leur réaction, ils posent la question de leur préparation. La DGI est intervenue pour mm-hmm. dire il n'y a pas de nouvelles taxes, normalement ça ne va pas causer de problème. À mon avis, il y a surtout un problème de, préparation. Lorsque Alternative a organisé une session budgétaire euh, récemment, le débat a été posé aussi par des experts. Mm. J'ai écouté des experts qui disent, souvent, on prend l'exemple de certains pays développés, notamment la France. Ils disent, la France a pris une loi pour engager ce type de facturation en 2016. Ils ont commencé à l'appliquer en 2020 pour dire, à partir de 2025, on généralise la pratique. 10 mm-hmm. ans. Alors les experts disent, mais si un pays comme la France, techniquement qui est beaucoup mieux préparé que nous, prend 10 ans pour le préparer et le lancer, est-ce que nous, il n'y a pas un peu de précipitation Puisque selon ce que j'ai compris, la loi des finances 2020 a intégré et déjà on est dans l'application. Alors la question c'est, est-ce qu'on a eu le temps de préparer C'est aussi une culture, certaines choses. Par exemple, vous avez des gens grossistes qui n'ont aucune comptabilité, qui comptent l'argent à la main. Alors, ce que vous leur demandez, vous leur demandez aussi de moderniser la gestion des entreprises. C'est aussi un peu cela qu'on dit quand on parle de factures certifiées, d'avoir une machine qui... Vous leur demandez de moderniser. C'est aussi une culture qui vous changez. Est-ce que le temps qu'on a pris est suffisant Je l'interroge. Mm-hmm. Mais dans le principe, faire en sorte que l'État mobilise davantage de ressources, moi, on a la prise en compte de ce qu'il mm-hmm. a dit, il faut aussi que l'État puisse être crédible quand on lui verse l'argent, <laughs> qu'on puisse avoir confiance, parce que le, mythe pour lequel on laisse l'État collecter l'argent, c'est parce que l'État dit je les dépense dans l'intérêt <laughs> général. Donc, il ne faut pas que le général se privatise. et donc, au-delà de ça, je pense que mhm. faire prendre des mesures qui permettent à l'État de mobiliser davantage d'argent au non pour faire des dépenses pour la communauté, ce n'est pas un problème. Sur le principe, on l'appuie. Mais je pense que c'est peut-être un peu précipité en série. Mais Gado Oh, oui, bon, moi je me dis que c'est une incompréhension en fait entre les acteurs. Et la question qui se pose, euh, les autres l'ont dit, est-ce que ça a été préparé C'était peut-être, euh, ils n'ont pas suffisamment pris de temps pour pouvoir euh, sensibiliser les uns et les autres par rapport à ça. Parce que quand tu appelles quelqu'un à la table pour lui expliquer, est-ce qu'une seule fois, une explication d'un seul, jour pourrait suffire Mais ici aussi, il faut voir que nous sommes dans un pays où les prix, on fixe les prix comme ils veulent. Mm-hmm. Nous avons des super commerçants aujourd'hui qui, qui, fixent, qui n'ont rien à cirer avec l'État, qui fixent leurs prix comme ils veulent. Ça veut dire que quand on regarde qu'il y ait les nouvelles réformes ou pas, on a toujours vécu dans cette charité. Au moment des fêtes, quand on regarde, on fait un mois de jeûne et durant les un mois de jeûne, ce que tu as l'habitude d'acheter 25 francs, tu vas le trouver sur le marché à, 100 francs. 100 à 200 francs. Même le simple citron. Simple citron, que ce soit la période ou n'est pas la période, que ça soit même la période, tu vas trouver le citron mm. aujourd'hui qui a grimpé de prix. Donc ça veut dire que il y a toujours des commerçants, des véreux, qui sont là, <laughs> Parce que Normalement, ça n'a pas de lien. <laughs> Hein. ça n'a pas de lien. Rien ne justifie la hausse des. voilà, rien ne justifie la hausse. Mais aujourd'hui, comme ils veulent que les consommateurs puissent peut-être être, euh, porte-à-faux avec euh, mm. la décision de l'État par rapport à cette nouvelle réforme, donc il faut mûrir, expliquer à ces consommateurs qui viennent acheter c'est la faute de l'État. Voilà ce que l'État a demandé et nous, on ne peut pas. Donc, on commence, on dit, ah, c'est le pain qui a augmenté. On a vu aujourd'hui le sac de riz qui a augmenté, l'huile a augmenté, mais bon Dieu, même les feuilles que c'est ici au Niger qu'on les cueille, aujourd'hui la tasse ou tia de, de, ces feuilles de malofia ou quoi là, c'est passé à 2500. Mais vous voulez qu'on fasse comment ah, je voudrais juste ajouter quelque chose. malheureusement, au Niger, l'État fait des réformes sans pour autant se soucier du citoyen. L'État se soucie plus de son intérêt pour pouvoir vraiment mobiliser les ressources internes sans pour autant vraiment mettre en exergue est-ce que ça va impacter le euh, citoyen citoyens nigérien Parce que c'est ça, malheureusement, on assiste aujourd'hui, le fait qu'on vous dit de payer les impôts, euh, de moderniser, mm. d'être vraiment réglo vis-à-vis de vos, euh, comment on appelle, de vos devoirs en tant que citoyen, parce que vous exercez des activités mm. qui vous ramènent des gains. Mm-hmm. Donc, vous mm. devrez rétribuer à l'État ce que vous... Mais non, c'est l'État, surtout revient vraiment par rapport à cette précipitation. C'est en 2018, on a cette loi de finances aujourd'hui. Ça a été d'un seul coup comme un coupé de péré sur la tête des Nigériens. Mais maintenant, euh, encore cette réforme encore vient une fois de plus impacter le coût de la vie du Nigérien. Pourtant, son pouvoir d'achat ne fait que baisser. Malheureusement, la faute revient à l'État. Voilà. C'est l'État qui n'exerce pas vraiment son contrôle sur ses mm. activités. Voilà. Nous sommes au terme du forum de la presse. Nous étions en compagnie de Issa Madougou, journaliste indépendant. Maimouna Gado, journaliste indépendante, et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Merci aussi à tous, chères auditrices, auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires suivre le programme des jeunes avec Actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème Utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires. Et dimanche, le forum Angerma sur le thème La réforme de l'enseignement primaire, quel enjeu pour la qualité de l'éducation. Merci à la technique donc, qui est assurée par euh, Mustapha Ayouba.